Alun Sar, manager de la Fédération Kadjor point focal société civile du CDPE de Thiès. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette séance que vous avez Voilà, aujourd'hui nous sommes dans les locaux de la préfecture de Thiès pour euh, les besoins d'un atelier de capitalisation mais également de planification stratégique pour le CDPE, le comité départemental de protection de l'enfant euh, de Thiès. Et comme vous le savez, c'est un CDPE qui inscrit ses interventions dans la dynamique de la stratégie nationale définie par l'État du Sénégal. Et comme euh, de coutume également, il faudrait de temps en temps réunir euh, tous les membres pour les besoins de, capturer toutes les informations qui ont qui sont à capitaliser. Euh, donc euh, nous avons initié cet atelier aujourd'hui et demain. Donc euh, nous avons également invité à cet atelier tous les acteurs de la société civile, mais également tous les acteurs du niveau institutionnel. C'est pour déjà revisiter la stratégie nationale, qui est le référentiel. Il faudrait que tous les acteurs au niveau du département de Thiès puissent s'approprier de ce référentiel-là, qu'ils puissent comprendre euh, la stratégie nationale, qu'ils puissent en comprendre les implications, les obligations. Donc nous avons tenu à inviter, comme nous l'avons dit, tous les acteurs de la société civile, mais également il y a une forte présence du niveau institutionnel. Et nous allons être là pendant deux jours. Nous avons euh, l'appui du consultant Mamagui, qui a beaucoup d'expérience également dans ce domaine. Et nous avons démarré les travaux ce matin. Nous avons parcouru, comme nous l'avons dit, la stratégie. Mais nous allons également y aller avec la capitalisation. Parce qu'aujourd'hui, Thiès est en train de, vivre des moments difficiles au niveau de la protection des enfants. Ah, ce n'est pas heureux de le dire, mais les cas d'abus et de violence sur les enfants deviennent de plus en plus récurrents. Euh, le phénomène également des enfants ah, dans la rue et très présent au niveau de Thiès. En tout cas, il faudrait euh, davantage secouer les organisations d'encadrement et d'accompagnement des enfants pour euh, en venir à bout. Et je crois que la question des enfants, ce n'est pas une, fatalité. On peut y arriver. Et il faudrait prendre la mesure de, cette situation-là dans laquelle vivent euh, ces enfants-là et ils sont souvent maltraités, ils sont souvent abusés sexuellement. On a vu qu'à Thiès, les cas d'abus sexuels s'exercent sur des sujets de plus en plus jeunes. Euh, l'année dernière, on était tous dans les mois lorsqu'on a appris que ces violences étaient exercées presque sur des bébés, des enfants de moins de 2 ans. Cette année, on a vu également des cas sur des jeunes filles de moins de 9 ans donc je pense qu'il est temps que les gens aussi se lèvent, que les gens aussi prennent au sérieux cette lutte. Alors, plusieurs cas ont été soulignés, notamment sur la des enfants et la Alors quel sera le rôle de la Fédération Oui, vous savez, le, CDPE, e, c'est un cadre fédérateur. Nous avons beaucoup d'acteurs au niveau de Thiès. Thiès est un carrefour et nous parlons de, de Thiès département. Le département de Thiès qui comprend plus de 14, une quinzaine de communes. Et toutes ces communes-là sont membres de ce comité départemental. Vous avez des communes comme les communes de Thiès, la commune de Fanden, de Noto, jusqu'à Ndjen, Sirahpout. Ce sont des, communes, euh, des communes qui sont partie intégrante du dispositif du CDPE de Thiès. Mais il faudrait que dans toutes ces contrées, qu'on puisse redynamiser les organisations locales, qu'on puisse avoir un dispositif fort. Parce que la question de l'enfance, elle doit être prise à bras le corps. Au niveau de ce pays-là, on ne peut plus continuer à se voiler la face. Les enfants sont dans des situations d'extrême vulnérabilité. Il faudrait qu'on l'assume. Qu'on puisse voir des enfants marcher pieds nus, tendre la main, mendier, et qu'on veuille l'inscrire dans notre culture, mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question de culture. Ce n'est pas également un fait religieux. Il faut oser également franchir le pas que de mettre des enfants mangés dans la rue, qu'on puisse dire que c'est accepté par la religion euh, musulmane, mais les héritiers de l'islam s'inscriveront en fou. Personne, personne, je dis bien personne, n'a euh, l'autorisation ou l'obligation ou bien la prérogative au nom d'une quelconque religion de mettre un enfant dans la rue au-delà de 22 heures pour apporter de l'argent. Ça, ce n'est pas de la religion. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Aujourd'hui, les Serine sont très en avance sur ce dossier-là. Ils ont une fédération nationale, mais qui discute avec l'État présentement. Vous avez vu le projet de loi qui est sur la table. Ils sont en train de discuter. Mais même les Serindara sont contre ce phénomène de mendicité tel qu'il se présente. Parce qu'on ne peut plus dissocier les enfants talibés des enfants mondiaux. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, utilise ces enfants uniquement pour se faire de l'argent. Mais interroger ces enfants-là sur leur sourate coranique, c'est des enfants qui ne sont pas prêts à vous réciter un seul verset de Coran. Oui, nous avons voulu secouer également les ONG parce que les actions sont dispersées. Toutes les ONG s'activent autour de l'enfance, mais les ONG ne se parlent pas moi je suis bien placé pour le dire comme étant un point focal de la société civile, mais également ce débat se pose entre ONG. Je crois que le plus grand cafouillage se trouve à ce niveau-là. Et c'est ce volet-là qui demande encore d'être réorganisé. Il faudrait que les ONG travaillent en synergie, travaillent davantage en synergie. Il faut mettre de côté cette concurrence entre ONG, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur tout ça. Mais si vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est une ONG qui se met au premier plan. D'autres ONG également, si elles se présentent, elles ne se, présentent pas. Je crois qu'il y a une obligation. Il y a euh, besoin, exigence que l'État affirme sa, présence, que l'État puisse euh, amener toutes ces interventions-là, toutes ces organisations à se conformer à la stratégie nationale. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas meilleur combat que la protection de l'enfant. Si vous voyez les cas qui se présentent, mais il faudrait qu'on évite de banaliser ces malheurs qui arrivent aux enfants. Euh, la semaine passée, encore dans la région de Thiès, on a vu cet incendie qui s'est déclaré dans un dara, avec deux talibés qui sont décédés et d'autres qui sont grièvement blessés. Ils ont des brûlures de deuxième degré. Mais ces enfants sont dans quelles conditions de travail. Toujours c'est après coup qu'on constate qu'il n'y avait aucune norme de protection dans ces daras-là. Mais c'est le moment de se lever, c'est le moment d'aller voir ce dans quelles conditions vivent nos enfants, dans quelles conditions dorment nos enfants. J'insiste bien nos enfants parce que généralement quand vous quittez votre maison le matin, vous vous assurez que votre enfant a pris son petit déjeuner, vous vous assurez que votre enfant porte des habits propres, porte des chaussures. Maintenant, si vous franchissez le pas, c'est un petit talibé pieds nus qui vous tend la main. Mais vous ne le prenez pas pour votre enfant, vous le prenez juste pour un talibé. On dit que c'est un talibé, donc pour un talibé, ce n'est pas euh, euh, étonnant, ce n'est pas choquant qu'un enfant marche pieds nus dans le froid comme ça, si vous voyez ses enfants. On dit non, c'est un talibé, il peut supporter le froid. Je crois qu'il faudrait qu'on revoie également nous-mêmes nos comportements vis-à-vis des Bonjour, je m'appelle Mme Sek Yaï je suis chef de service adjoint au niveau du, service départemental du développement communautaire de Thiès. Et je viens représenter Mme Fall, qui est le chef de service actuellement. Elle est dans un autre séminaire au niveau de la préfecture, sur les violences basées sur le genre. Euh, euh, nous sommes là aujourd'hui dans les locaux de la préfecture pour l'atelier que nous organisons, c'est-à-dire le service de par l'UCDP. Euh, sur la capitalisation et la planification intégrée des, activités sur la protection et la prise en charge des enfants vulnérables, qui regroupe tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'enfance. Actuellement, nous allons résumer ce séminaire en trois points, si je le dis, monsieur le ménager, sur la SNPE, euh, la capitalisation des acteurs, essayer de voir les différentes euh, services que les acteurs peuvent nous, peuvent nous offrir, peuvent, peuvent offrir au CDPE et un dernier point, le troisième point, qui est le plan d'action de, l'année à venir, c'est-à-dire le plan d'action 2018. Alors, au niveau du conseil départemental, quel sera donc le rôle que vous allez jouer par rapport donc à, à la protection euh, des enfants le service départemental du développement communautaire est le point focal institutionnel du CDPE. Donc, à notre niveau, nous, nous, avons, nous avons un autre service qui est le SAO, Centre d'accueil d'orientation. Donc euh, à chaque fois que les cas nous viennent, on les réfère au niveau du SAO pour qu'ils puissent euh, orienter, c'est un centre d'accueil orienté, pour qu'ils puissent orienter les victimes. waaw tay dañoo teunk ben leul fi ci préfecture Thiès manam leul bo xamé ni li wax comité départemental bi tay saytu ak ak yelleefu xale yi ñoom ñoo fi daje maanaam ñi fi daje tey ñu daje ko ci préfecture kuréel boobu préfet wu Thiès moom mooy euh, président bi waaye ñu ko séq mooy ñëpp ñi nga xamee ne ay bànqaas lañ ñu jóge ci nguur gi maanaam service yi nekk ci gouvernement bi yëpp dañu nekk biir Thiès membre lañ ci comité boobu bi si des it ñi nga xamee ne ay association lañu ay ONG lañu dañu yëngatu ci xale ñoom ñëpp tamit lañ fi woo tey pour ñu waxtaan waxtaan bi ñuy def nag mooy ah naka la ñuy booy yëngatu ci mbir da nga koy xam ah, nguur gi dafa tënk li ñuy wax stratégie nationale maanaam yan ah, anam la teg pour ñëpp war see tënku pour saytu xale yi loolu bi mu amee nag ah il faut que ONG yi xam ko il faut que ñëpp xam ko parce que tey da ngay gis ku jóg rek créer sa association jóg ni man xale dafa ma neex dama bëgg rek yëngatu ci xale yi mais la nga ciy def xamoo ko. mën na am sax la ngay yàqal xale yi ak la leen di xañ la leen di gaañ moo ëpp la nga leen di apporter loolu nag moo tax kuréel gi am képp kuy yëngatu si biir cees dafa war a bokk ci kuréel googu wala kuréel gi aussi dafa war a saytu lu muy def si biir loolu am na lu ñuy wax prise en charge intégrée maanaam xale boo xamee ne am na lu ko dal ah benn organisation rek waru koo mën a jël en charge tey su fekkee ne xale bi dafa gaañu. nga war ko jël faj ko mais hôpital mi ngi fi moo la gën a mën a faj moo a yelloo ah bu fekkee ne kat da nga dem ba ci faj nga yóbbu ko ci hôpital mu war a soxla ku ko waxtaanal parce que xelam daw na nga xam ni matière la boo xamee ni soo amul ay ay ay compétence yu wóor si prise en charge li ñuy wax psychosocial munoo wax mu am beneen ONG bu mel ni CEGID boo xamee ni loolu mooy si la muy yëngatu ah waaye bi ñuy waxtaan tamit ni xale yi li ñuy def kat ni ko buuba di waxe bis bu nek di répéter que xalé yi bo bëggé yëngatu si seen mbir te boole wolen ci dafa melni ñom ngay xex motax li ñi def xalé yi dañ ci wara duggal seen loxo motax konaf ku melni konaf am taxaway bob si participation des enfants ñom it am ci compétence xarañ ci su amé keneen ku bëgg yëngatu ci loolu te konaf nek fi nga dem si ñom ñu def ko donc loolu motax aussi programme bi bo gisé ñu né société civile ah, am point focal niveau institutionnel aussi dafa am représentant muy développement communautaire bu Thiès bi madame Fall présidé euh, nekk fa chef de service ñooñu it lépp luy service étatique bi nekk biir Thiès <coughs> dañoo war a bokk ci yëngatu boobu ñooñu nag développement communautaire moom mooy seen seen point focal maanaam li koy firnde rek mooy boo gisee xale boo xamee ni xëy na sàkku nañ ko xale boobu lan lay soxla dina soxla faj. kon hôpital régional day taxaw ah dina soxla tamit ku waxtaane jeeg moom dina soxla ndimbal dina soxla dina soxla dina soxla yooyu mu soxla yëpp xëy na du benn association moo ko mën wala benn service parce que police dafay ñëw ba tribunal dañ ciy ñëw donc loolu yëpp nag moo tax ñu ne service yooyu yëpp dañ ci war a bokk su boobaa développement communautaire ni ah monsieur le commissaire kat xale bi sàkku nañ ko na si police taxaw su demee ba prise en charge judiciaire ñu naa ayemo ah ay moo kat wax leen ci xale bii kat am na lu ci xew su demee hôpital régional mu woo médecin chef de district wala de région ni ko am na xale bu fa ñëw jàpp leen ci léew ak lale loolu mooy euh, njëriñu prise en charge intégrée boobu loolu it bokk na si li ñu waxtaan waaw xam nga ONG yi moom la ñuy wax nag bis bu nekk ONG partenaire euh, CDP moom ONG bi du partenaire membre la ci waaw daf ci nekk membre moo tax tey bu ñuy waxtaanee li ñuy wax plan d'action ONG bi xëy na bëgg na dafay activité war koo financé am xaalis pour loolu mais tey bu CDP taxawee ne lii mooy problème mu xale yi biir Thiès ñu seytu ko gëstu ko ni kat lii buñ ko amee buñ ko bëggee saafara lii lañ ciy def ci koppar su boobaa ONG bi dina ne ah lii kat mën naa see def sama xaalis mu mel ni comme ONG bu mel ni Child Fund atelier bii ñuy def bu ñu ci tollee ñun Kajoor Jànqeen bi koy représenté dafa dem ne ah CDP Thiès kat bëgg nañu dajaloo pour waxtaanee euh, élaborer seen planif plan stratégique bëgg nañu def tamit capitalisation ah mu ne ah man kay loolu laa bëgg parce que man bëggoon naa def lii ak lii ak lii waaye su ma ko bëggoon a def tamit ak yéen rek du sotti mën na am bu ñu defee seen plan d'action boobu yeneen association ONG yu bëri gis ci seen bopp su boobaa mu ne ah kon loolu ñaata lay jar ñu ne ko nangam mu ne def naa ci nangam. loolu tamit bu ñu ko defee dañuy invité association yépp ak ONG yépp ñu defee noonu tey di nga gis ONG bu financé ni kat man dama bëgg a def lii mais loolu muy financé ah bu ñëwee si CDP ah bu dee formation la compétence yaa nga fa lu mu mënti doon CDP ña nga fa lu kenn mën fukk ko dàq loolu la CDP taxawee moo tax ñu ne ONG yëpp tamit dañ leen di tàllalaat loxo ñoo ñëw bokk ci liggéey bi.